faut sa audience se ferait dans la maison ah nga ni y a pas d'audience rek Ben, est-ce que ma maman est là Quoi Je cherche ma maman. Oui. il n'y a pas de maman ici. Audience, Audience, je venais dans la maison. Il n'y a pas d'audience, je dans la maison. Comment mais je cherche ma maman, on me demande d'audience. Je ne sais pas. Mais on est dans quel monde là Sénégal. C'est tout le monde à Sénégal. Je travaille ici dans la maison en Sénégal. En tout cas, audience, je venu dans la maison. Il n'y a pas d'audience dans la maison. Mais Il n'y a pas de compte Je travaille ici chaque jour. Non, mais ça, c'est du jamais vu là. Hum. Ici là, je travaille, toujours ça, tout je travaille. N'importe quoi. Ah, ah maman, maman, chérie. Maman, Maman, tu peux Moi aussi, moi. Ton père, il va il est à la maison. Et les cours, ça va Je m'accroche bien, maman, tu m'as trop manqué. Ah. Je te pas te le Bonjour, bonjour c'est ma fille. Ma fille, quelle Elle s'appelle Bijou. Bijou Li Ma fille. Madame, uh uh-huh. il uh-huh. y n'y a pas de problème. Uh-huh. Aussi, tu es belle fille, tu es belle fille d'Al. Tu es belle fille d'Al. C'est très gentil. Merci, merci. <laughs> C'est joli. Maman, tu vas au cours ce Je veux bien. Mais n'est pas pour longtemps. D'accord, d'accord. Mais pas à l'aise. Hein. D'accord. Pour longtemps, bien sûr. <laughs> Il n'y a pas d'audace, il n'y a pas de tarak, il n'y a pas de feu. S'il y a audace, moi je ne suis pas audace. Je viens chez mon neveu. C'est mon neveu. Moi je suis dans l'oncle de lui, cher, mon garbat, habite à Cartuleur. Moi aussi, habite à Cartuleur. Tout le monde, nous sommes des villageois purs et durs. Hein? Tu me déglaces comme un chien. C'est pourtant, sur vous les chiens. Eh. Elle est, elle est, elle est, eh. eh. hein? Tu là, debout. Debout, allez. Pourquoi debout Pourquoi debout Eh, debout. Qu'est-ce qu'il y a après Allez, pousse. Pousse. Pousse, allez. D'accord Pousse. D'accord. Immédiatement. Immédiatement. Je ne pousse pas. si Mais toi, Tu es fou, non eh, eh, eh, attends-moi. Allez, Allez, allez. Laisse-moi. laisse-moi Il n'y a pas de laisse. Laisse-moi mon Attention. Hein. Laisse-moi C'est la rue. attends. J'ai un rhumatisme ici. Hein. Allez, allez, ah bon, allez, ah Aïe, aïe, aïe. Imbécile. Aïe, aïe, aïe. Ah, oh, oh, ah, oh. oh. Qu'est-ce que tu faisais Oh, ya, oh, oh, c'est dommage. Oh, ya, ya, c'est dommage. Oh, oh. J'ai laissé une bataille jusqu'à. Ah. moi, je laisse les bataille Moi, je bataille un enfant jusqu'à à la, à la, à la, à la gare. Moi, je laisse les batailles. Sinon, je le casse la gueule. Toi, ah, tu m'as déçu à mon moment. À moment, tu ne me connais pas du tout. Hein? Il n'y a pas de frontière Ce travail toujours. Ce Oh. Tonton, entrez, entrez, entrez. Mon patron, ça va arriver. Tonton, entrez. Ah. Entrez, entrez, entrez. Entrez, tonton, lui. Oh, entrez, tonton, entrez, entrez, entrez. Lui. Oui, oui, oui. Ah, ah, ah. Même, je ne sais pas, même, je ne sais pas, patron, patron, je ne sais pas, grand frère, je ne sais pas, petit frère, man, en tout cas, je, travaille ici dans la maison. Hier, je travaille, nuit, je travaille, soir, je travaille. Je travaille à audience de venir dans la maison. Il n'y a pas d'audience dans la maison. Vois comme les gens vivent, leur moyen est trop limité. Quand les chances